Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue au Forum de la presse, le rendez-vous hebdomadaire décidé au Kalangou. Cette semaine, les sujets qui ont dominé l'actualité s'articulent autour des perturbations dans la fourniture de l'énergie électrique à Niamey et dans plusieurs localités au Niger. Ensuite, nous parlerons de la situation politique au Sénégal où le président Macky Sall a finalement annoncé qu'il ne participera pas à la présidentielle février 2024. L'actualité, c'est aussi le retrait de la MINUSMA du Mali qui met fin au mandat des casques bleus engagés dans cette mission à compter du 30 juin 2023. Pour commenter et analyser tous ces faits, j'ai le plaisir de recevoir Memouna Diado, journaliste indépendante. Memouna Diado, bonsoir. Bonsoir, Nissa Jibo, journaliste indépendant également. Ousseini Sajibo, bonsoir. Bonsoir. Et Hassan Boukar, journaliste à la radio alternative. Hassan Boukar, bonsoir. Bonsoir. À la modération, je suis Mokhtar Hamadou. Nous débutons le forum de la presse de ce vendredi 7 juillet par les désagréments observés dans la fourniture de l'énergie électrique ces dernières semaines au Niger. En effet, la capitale nigérienne, Niamey et plusieurs autres localités ont subi plusieurs jours d'importants délestages d'électricité liés notamment à des perturbations dans la fourniture de l'énergie électrique. Depuis le 10 juin, des coupures répétées répétés et pouvant durer des heures sont observées des jours comme de nuit. Et ce dans ce contexte que les autorités ont annoncé la construction d'une nouvelle ligne d'interconnexion électrique Nigeria-Niger qui sera en service en fin 2024. Ensuite, l'inauguration mercredi 5 juillet de la toute nouvelle centrale solaire de 30 MW de Gorubanda. Mme Diadou, avez-vous euh, d'autres informations ou d'autres précisions au sujet euh, de ces désagréments intervenus dans la fourniture euh, de l'énergie électrique au Niger si j'ai d'autres j'ai d'autres éléments à apporter par rapport à ces coupures intempestives d'électricité que les populations du Niamey environ ont subi durant presque deux semaines ou trois semaines de coupure, c'est que euh, chaque jour, on nous chante que c'est des pilons qui sont tombés au niveau donc euh, de Burning Kibi et c'est ça qui a provoqué ce désagrément. Mais l'un dans l'autre, moi, je suppose que chaque année, on ne peut pas nous dire que c'est les pylons qui sont tombés au niveau donc de Burning Kebi et qui a affecté euh, la fourniture de l'électricité. Quand vous regardez, c'est à la même période que les Nigériens, la campagne, pluvieuse. ou euh, la saison où il fait excessivement chaud, que euh, nous subissons donc ces, ces genres de coupures. ce qui est sûr, tout ce qui a été investi au niveau de la Nigélec pour que les Nigériens puissent au moins profiter de, du courant, rien n'a été fait. Vous voulez dire que la Nigérie aurait dû prendre le devant, mais, investir bien, sûr, mais bien sûr, parce qu'on ne peut pas dire à chaque fois que c'est dans la même période, avec la saison, l'installation de la saison pluvieuse, que des pylons tombent. avec les vents, les avec les violents. Vents, violents et tout. Et vous avez vu comment est-ce qu'ils ont fait, Quelles procédures ils ont procédé pour pouvoir rétablir le courant, parce que c'était des instruments même archaïques ils étaient en train de, travailler pour que ces pylônes-là soient rétablis. Mais je pense que le Nigérien qui paie la facture de l'électricité chaque fin du mois, la Nigélec n'attend pas à ce que tu puisses avoir de quoi payer. Dès qu'il est, il est temps de payer, ils viennent. Le 5. Le 5, ne dépasse pas le 5. Mais je pense que si vous ne dépassez pas le 5, mais mettez les Nigériens dans les conditions d'avoir cette énergie. Et vous avez vu ce que ça a entraîné. L'énergie a entraîné également la coupure d'eau <laughs> au niveau donc de la Seine. Dans, plusieurs quartiers. Dans plusieurs quartiers. Même le jour de la fête, c'était insupportable. Et même dans certaines localités à l'intérieur du du oui, à l'intérieur du pays. Mais nous, on n'a jamais vécu, en tout cas, cette situation où dès que le courant coupe, l'eau également, <laughs> on, on ne parle plus d'eau. Le robinet reste fermé jusqu'à des certaines heures. C'est c'est pas possible. Donc je pense qu'avec euh, euh, la nouvelle centrale qui vient d'être inaugurée, qui a été inaugurée hier, le euh, de 30 kW et qui va prendre effet ou qui va en tout cas le 25, c'est ça ils ont dit. Le 25, août. prochain, je pense que peut-être qu'on ne va pas revivre ce, calvaire que nous avons vécu durant des mois. Hussein Sajibo, pour s'affranchir de sa forte dépendance énergétique au Nigeria voisin, ce sont 10%. le Niger s'active à achever d'ici 2025 son premier barrage sur le fleuve Niger. Où en sommes-nous au sujet des travaux du barrage du Kandaji oh ben, Il est dit que la réception de ce barrage-là aura lieu au plus tard, je crois, en 2025, n'est-ce pas mhm. Bon, la capacité de production du barrage, quand on regarde de près, on se dit que c'est un barrage qui a été réfléchi depuis des décennies. malheureusement, dans le cadre des travaux, on n'a pas repris un peu, comme avait dit, pour renforcer les capacités. Moi, je veux dire quelque part que, bon, <laughs> le montant a augmenté, mais les capacités sont restées intactes. On dit, ça va produire combien 130, 140 comme ça, méga. Moi, je dis, on aurait pu réfléchir. C'était à l'époque. Aujourd'hui, les besoins sont devenus très croissants en matière d'électricité. Ça ne peut pas permettre parce qu'au fur et à mesure que le pays grandit, les villes grandissent, au fur et à mesure les besoins, les besoins croissent. Mais alors, ce qu'il y a lieu de faire, c'est peut-être mettre l'accent aujourd'hui sur un peu le solaire. On vient de réaliser, Maimouna l'a dit, une centrale solaire de 20 MW, 30, 38, à un coût de 20 milliards, n'est-ce pas Et qui va produire de l'électricité quand même pour 500 000 personnes, n'est-ce pas mhm. C'est ce qui a été dit. Mhm. Alors, quand on fait le, rapport entre Gorubanda, qui a été une centrale thermique où on a injecté quelques 295 milliards, et pour quel résultat aujourd'hui et on regarde un peu avec 20 milliards ce qu'on a pu réaliser. Alors avec l'argent qui a servi à construire Gorubanda, on aurait pu faire ce genre d'investissement. Le professeur Albert Wright a pu quand même sonner. Euh, mais l'alerte, dès le départ, dès le départ, quand le projet Gorobanda a été initié, il avait dit non, c'est une bêtise, il ne mm. faut pas aller dans ce sens-là. Ah aujourd'hui, plus personne. plus personne n'est dans ces, ces, histoires. Même les pays qui n'ont pas suffisamment de soleil aujourd'hui, ils sont dans d'autres sources de production, d'autres sources d'énergie plus propres, n'est-ce pas Alors on s'est engagé dedans, on sait pourquoi les gens se sont engagés dedans. C'est parce qu'il y a à manger à boire. Ça fait l'affaire de certains. 295 milliards pour quel résultat Quand on avait lancé Gourbanda, on a dit c'est fini, les coupures à Niamey, c'est terminé. Avec Gourbanda, c'est terminé. Alors, voilà, on est toujours dans les problèmes. On a vécu pendant pratiquement un mois, je vais dire, tout le mois de juin, un peu début mai jusqu'en fin juin. Jusqu'en juin, jusqu'en fin juin, pratiquement, on est dans des coupures. Et aujourd'hui, quand j'apprends qu'on est en train de vouloir construire une nouvelle ligne en provenance de, comment du Niger, je me dis quelque part, quelque part, c'est irréfléchi. C'est irréfléchi parce que. Peut-être c'est pour un peu changer les pylônes. Oui, mais hein. les pylônes, mais alors, les pylônes vont s'effondrer du jour au lendemain. Imaginez ces pylônes pylônes-là qui sont en train de tomber, c'est des pylônes qui datent de 76. 75, 76, avec les intempéries et tout et tout, <laughs> c'est bien évidemment, il faut s'attendre à ce que ça ne résiste plus aux intempéries. C'est ça, ça on, a assisté la dernière fois. Alors moi, je me dis, voilà la solution de facilité. On vient de l'expérimenter avec ce qu'on vient de réaliser. Le solaire, n'est-ce pas et Le coût d'entretien, le coût d'entretien, c'est pas, c'est pas grand chose. C'est minime. Alors que là, il faut injecter beaucoup d'argent pour faire fonctionner ces turbines-là qui sont tout le temps en panne. Alors, on doit pouvoir faire, et qui pollue, on doit pouvoir faire le choix. Et le bon choix, moi, j'ai dit, c'est le solaire. L'investissement dans le soleil Oui, dans le solaire, tout simplement. Regardez 20 milliards qui vous donnent 30 mégawatts, n'est-ce pas Et, l'autre, comment on appelle 295 milliards, et on dit, c'est combien la production Moins de 100 mégawatts. Et qui utilise beaucoup de fioul, lourd. Qui, donne le fonctionnement coûte cher, n'est-ce pas Alors, le choix, le choix est vite fait. Mais maintenant, comme on est dans un pays où c'est les affaires aujourd'hui, c'est que les gens préfèrent ce genre de choses où il y a des pots de vin, des dessous de table. Merci beaucoup Ousseini Sajibo, Hassan Boukara. Euh, comment les Nigériens ont-ils vécu les délestages d'électricité plusieurs jours euh, durant Merci Mokhtar, mais je rappelle que ce n'est pas nouveau. Hein. Je pense que les gens sont presque habitués. Chaque année, à la même période, les mêmes choses arrivent. On entend les mêmes commentaires pour dire on ne peut pas continuer depuis l'indépendance à dépendre d'un pays voisin. Il faut songer à être plus autonome en matière d'électricité. Je pense que la souveraineté, ce n'est pas simplement sur le plan militaire. Hein. On parle beaucoup de souveraineté aujourd'hui. Et, économique. Voilà, voilà. L'électricité, c'est un domaine stratégique pour un pays. On doit vraiment être autonome. Vous ne pouvez pas vous industrialiser sans avoir l'énergie accessible à moindre coût. Moi, j'ai un peu une des choses que j'ai appréciées. J'ai vu, par exemple, cette année, le ministère de l'Énergie, pour la première fois, ils ont vraiment un budget important ils ont plus de 200 milliards à consommer en une année. Vous pensez que c'est beaucoup 200 milliards, 200... c'est pour la première fois que ce ministère a un tel budget. C'est extrêmement important. J'ai vu par exemple qu'une bonne partie de ces ressources, c'est pour le, le, milieu rural. L'électrification rurale. L'électrification rurale, c'est donc l'extension du, du, réseau. Il y a effectivement des travaux qui concernent la Nigeria, mais une bonne partie. Mais je considère que mettre 200 milliards, c'est faire un choix très précis sur le domaine de l'énergie. Euh, il y a aussi le financement de la Banque mondiale euh, à travers l'électrification dans les quartiers périphériques. Euh. ces ressources viennent aussi en partie des partenaires. Donc pour moi, c'est un choix qui est fait. Donc je me dis que c'est peut-être les choix importantes qu'il faut noter. Mais pour l'instant, il faut forcément avoir une vision à moyen et à long terme. mais est-ce que le gouvernement n'a pas quand même fait assez en détaxant les produits solaires Oui, c'est ce que je veux dire, le, choix qu'il faut faire. en fait, il y a des choses auxquelles il faut répondre tout de suite. Par exemple, les coupures, ça c'est des solutions immédiates. Si on veut le régler, quelles sont les solutions immédiates qui sont à notre portée pour le faire C'est peut-être faire en sorte que s'il y a des pannes, il faut les réparer, mais on a l'évoqué il y a quelques instants. La Nigeria a annoncé des pylônes qui sont tombés. Tu es obligé de répondre. Mais à moyen et à long terme, il faut vraiment réfléchir à faire en sorte que dans ce pays, on a le soleil, au Seigneur l'a largement expliqué. Les partenaires sont aussi disposés à financer des projets dans ce sens. Parce qu'aujourd'hui, vous le savez, chez nos principaux partenaires, vous avez une opinion aujourd'hui qui est très mobilisée sur les sources d'énergie renouvelable, sur l'énergie propre, comme on le dit. Autant les gens boudent le pétrole, le charbon, sauf quand ils ont des intérêts directs, autant ils sont disposés à aider les pays à aller vers ce sens. Vous vous rappelez des rencontres qu'il y a eu récemment à l'échelle internationale. Donc, ça montre aussi que si on veut aller vers le solaire, c'est quelque chose qui est inépuisable, en tout cas pour un pays comme le Niger. On a le soleil toute l'année. On peut avoir, n'est-ce pas, des projets qui nous rendent plus autonomes. Peut-être que tout de suite, on ne peut pas se passer du Nigeria, mais il faut toujours se mettre dans cette perspective. Là, j'entends beaucoup de commentaires avec le nouveau président où on dit ben, c'est quelqu'un euh, qui apparemment ne va pas donner les mêmes possibilités. Le, président nigérian, Voilà, euh, avéré ou non, mais dans tous les cas, un pays ne peut pas continuer toujours à compter sur la poche de ses voisins pour, pour assurer son autonomie en Donc, à mon avis, il y a vraiment des choses qu'il faut faire. Peut-être que l'inauguration de cette centrale solaire est peut-être un premier pas, à mon avis. Il faut continuer, il faut continuer dans ce sens. Et je pense que c'est ça qui permet à ce pays d'être autonome. On a le solaire et ce serait vraiment rendre hommage au monstre au professeur Merci beaucoup, Hassan Boukar. Mouni Gadou, vous avez quelque chose à ajouter rapidement Bon, je n'ai pas grand-chose à ajouter. C'est que juste que euh, nous espérons, hein, nous espérons que cette centrale solaire qui vient d'être inaugurée, qui sera expérimentée, pas euh, tout simplement mettre fin à ces coupures intempestives, comme l'a dit le président de la République. Donc, il ne faut pas qu'on revienne encore à la case de départ. Parce qu'au Niger, on fait les infrastructures, mais il n'y a pas de suivi. Donc, il n'y a pas d'entretien et de suivi. Donc, c'est surtout l'entretien, mettre l'accent sur l'entretien pour que les Nigériens puissent en consommer, puissent vraiment ne plus subir ces, coupures intempestives. Merci beaucoup à tous. On observe une courte pause. Passons à présent au second sujet de ce forum de la presse. Après des mois de questionnement, le président sénégalais Macky Sall a finalement annoncé qu'il ne participera pas à la présidentielle de février 2024. Ma décision longuement et mûrement réfléchie est de ne pas être candidat à l'élection, même si la Constitution m'en donne le droit, à déclarer le président lundi soir dans une allocution à la radio et télévision sénégalaise. C'est tout un pays qui était suspendu suspendu à ses lèvres euh, ce lundi 3 juillet, alors que le débat sur euh, son éventuel euh, troisième mandat a cristallisé les tensions dans le pays à huit mois de la présidentielle. Depuis sa réélection en 2019, le président avait refusé de répondre à la question de son éventuelle candidature en 2024. Hussein Sajibou, après des mois de spéculation sur ses intentions le président sénégalais a finalement déclaré lundi soir qu'il ne briguera pas un troisième mandat au Sénégal en février 2024. Que peut-on retenir au sujet de cette annonce du président sénégalais Oui, mais bon, il a fait l'annonce, il a, comment dirais-je, maintenu les Sénégalais, mais pas seulement que les Sénégalais, un peu partout dans les pays en suspens. Parce qu'il a fait mystère de sa candidature et tout le monde sait qu'il avait bel et bien l'intention de se présenter. Ses partisans, récemment, se sont mobilisés pour apporter leur soutien à ce que il, se présente à, comment dire, à l'élection. Mais on à, sait bien, à Paris comme à oh, Dakar. bien sûr, mais on sait bien ce qui s'est passé. Quand on dit pendant pratiquement une année ou deux ans, le Sénégal est dans une situation d'instabilité que ce pays-là n'a jamais connue à cause notamment de la volonté de, de, de, d'écarter tous les candidats susceptibles de, pouvoir nuire à, sa candidature. À sa troisième. à sa, oui, voilà, avec en tête euh, Ousmane le jeune, Ousmane Sonko, qui mobilise quand même les Sénégalais. on a vu ce qui s'est passé, on a vu les troubles, on a vu la violence, il y a eu combien de morts On aurait pu faire l'économie de ces morts-là, n'est-ce pas Si dès le début, il disait que, bon, moi, je ne vais pas me présenter. Aujourd'hui, il s'est présenté, il s'est mis devant... En fait, quand il dit il a mûrement réfléchi, il a réfléchi à quoi Il a réfléchi à ce que le pays allait basculer dans une violence inouïe. Alors, tant qu'à faire, il a préféré se retirer pour ne pas conduire son pays dans l'impasse. N'est-ce pas Moi, j'ai dit, c'est un peu ça qui a motivé sa décision. Il a pris à <laughs> contre-pied ses mais, euh, D'autres présidents ont quand même euh, dit avant lui qu'ils ne seront pas candidats, mais au finish, ils ont brigué euh, ce troisième mandat. Vous savez, vous savez, en fait, au niveau du Sénégal, c'est pas un peu comme tous les autres pays. La culture démocratique là-bas, c'est quand même très ancré chez les citoyens, y compris ceux qui ne sont pas allés à l'école. Hein. En matière de mobilisation politique, les gens, quand ils ne sont pas d'accord, c'est qu'ils ne sont pas d'accord et ils vont combattre. Alors, il sait bien qu'en forçant les choses, il n'y a rien à faire. Le Sénégal allait basculer dans une violence dont, on ne saurait pas, comment dire, l'issue. Voilà un peu, c'est des calculs qu'il a eu à faire. Est-ce que je dois foncer tête baissée et mettre le pays à feu à sang ou bien je vais reculer, mais comme avait dit. Mais, maintenant, Macky Sall ne briguera pas un troisième mandat. A-t-il un dauphin mais je ne sais pas, moi je ne peux pas savoir s'il a un dauphin ou pas, mais il doit normalement pouvoir préparer un dauphin, n'est-ce pas Mais ce que je veux dire, c'est qu'il s'est dit, il a vu dans d'autres pays où ça a été tenté, il a vu ce que ça a donné n'est-ce pas Il a vu en Guinée, notamment, où, comment ça s'appelle euh, Alpha, Condé. En Côte d'Ivoire, d'accord, l'autre a pu passer, <laughs> comment il s'appelle Ouattara, a pu passer, mais c'est pas évident que ça puisse passer au Sénégal. On a vu ici aussi le cas au Niger où c'est juste euh, une prolongation que le président a voulu. Ça veut dire qu'il y a une chose aujourd'hui, il faut qu'il se rende à l'évidence qu'on ne peut pas continuer à penser qu'on est indispensable dans un pays. Il a fait ses deux mandats. Ce qu'il n'a pas pu réaliser en deux mandats, ce n'est pas en faisant un troisième mandat qu'il pourra le réaliser n'est-ce pas Moi, je dis, quand je vois les gens acclamer pour dire qu'il est sorti par la grande POC, non, il est sorti par la petite POC, parce que c'est la pression qu'il a amené à renoncer à cette candidature-là. Ce n'est pas de manière délibérée qu'il a dit non, je ne veux pas me présenter, c'est la pression. Est-ce est ce qu'il a besoin de dire qu'il ne va pas se présenter, puisque la Constitution lui donne euh, que deux mandats mais, mais alors, mais il a forcé, parce qu'il dit qu'il a changé la Constitution, n'est-ce pas Il a fait un mandat de 7 ans, ensuite on a modifié la Constitution, il a fait un mandat de 5 ans, et il suppose que sur la base de la modification Constitution, il peut aller a ah, il peut continuer faire un deuxième mandat sur la base de la nouvelle constitution. Moi, je me dis, mais c'est un peu prendre les Sénégalais pour des, comment avait dit, des, c'est deux mandats successifs qu'il a eu à faire, un de 7 ans et un autre de 5 ans, et il voulait prolonger, faire un autre mandat de 5 ans. Ça n'a pas de sens. Alors, s'il s'est retiré, quand je vois des gens acclamer pour dire qu'il est sorti par la grande POC, je dis qu'il est sorti par la petite POC. Parce qu'il a sur le dos la mort d'au moins une vingtaine de Sénégalais, sans compter tout cela qu'il a mis en prison, n'est-ce pas dans l'espoir de pouvoir, comment dire, baliser euh, le, boulevard devant lui. Mais en fin de compte, certainement, des proches parents lui ont dû lui dire certainement, hey, toi pour pouvoir manger tranquillement ce que tu as mis de côté. Sinon, si tu forces les choses, on va tout perdre. On a vu le cas de Blaise, n'est-ce pas Merci beaucoup, Ousseinissa. Hassan Boukara, le chef de l'État sénégalais, entretenait le flou sur sa candidature alors que le pays a connu des troubles, Ousseinissa l'a dit, les plus meurtriers au début du mois de juin, faisant plusieurs morts. Comment expliquer ce si long silence du président sénégalais avant de se prononcer à huit mois seulement de la présidentielle de 2024 Moi, je pense comme Ousseini, qu'il a voulu tenter le terrain. Hein. J'ai fait le parallèle entre deux situations. La situation de Macky Sall et celle de Buhari. Au Nigeria. Buhari qui a quitté récemment, qui n'a fait aucun mystère sur le fait que, euh, après deux mandats, il ne doit pas continuer. Et son parti, l'opinion, les électeurs savaient déjà, il n'y avait pas d'imprévu. Mais lui, il a gardé le suspense jusqu'à huit mois des élections. Pensez simplement au camp Beno Bokoyakar euh, au Sénégal, qu'il a soutenu pour ces deux mandats-là, et au sein desquels il pourrait avoir des gens qui veulent être candidats. Ils n'ont plus le temps, les élections c'est en février prochain. Je pense qu'il a été très égoïste et comme vous savez, je ne crois pas que Macky Sall soit sorti par la grande porte, je ne le crois pas. Écoutez ce qu'il dit. Il dit euh, j'ai le droit d'être candidat, mais je ne suis pas candidat parce que je ne veux pas être candidat. Pendant longtemps, sur ce discours sur la démocratie, on oppose deux positions. Obama, lors d'un de ses passages sur le continent africain, dit l'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, mais d'institutions fortes. C'est un peu repris un peu partout sur le continent où on oppose les institutions fortes aux hommes forts ou à l'homme providentiel. Ce que qui dit, moi pour moi, sortir par la grande porte serait de dire la constitution sénégalaise interdit d'aller au-delà de deux mandats consécutifs par respect pour les règles du jeu, je m'arrête là puisque les règles du jeu m'imposent, ce sorti par la grande porte. Me dire, en prolongeant un débat polémique, en disant, oui, j'ai la possibilité, mais en fait, il ramène ça à sa dimension individuelle. Il ne grandit pas les institutions. Il ramène les choses à, à une bonne personne. C'est-à-dire, je ne suis pas candidat parce que je suis une bonne personne. C'est tout le contraire du travail qui est fait aujourd'hui pour renforcer les institutions de façon à ce que, dans un pays, les bonnes personnes soient les gens qui respectent les règles du jeu. Un pays a besoin de bonnes règles du jeu que chacun respecte et non de bonnes personnes. Mais Maki ramène ça à sa personne pour dire si, je ne suis pas candidat, ce n'est pas que quelque chose me l'empêche, mais c'est parce que je décide moi de refuser. Euh, Donc, Hassan Boukara, quelle sera l'issue des élections de 2024 euh, au Sénégal À mon avis, c'est une situation politique euh, quasi inédite. Alors, probablement, il y a deux bénéficiaires de cette situation c'est Khalifa Sall et Karim Ouatt qui seront probablement les bénéficiaires. puisque, alors, le cas Sonko reste la grande inconnue, mais Khalifa Sall et Karim Ouad seront probablement candidats, puisque Hussein a rappelé la situation politique très tendue que le Sénégal a connue. Aujourd'hui, même si Maki dit qu'il n'était pas candidat, et que ni Khalifa Sall, ni Karim Ouatt ni Sonko ne peuvent être candidats, il aurait du mal à organiser des élections paisibles au Sénégal. Et donc, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui Il casse un peu la pression. Selon vous, euh, les, élections ne seront pas inclusives au Sénégal Mais je pense qu'il y aura apparemment un grand absent. Ce serait son Sonko, apparemment, puisque au, stade actuel, son Sonko ne peut être candidat que s'il y a un rapport de force qui l'impose comme candidat. Ah. Et quand j'écoute le discours de Macky Sall, j'ai comme l'impression qu'il y a une fixation sur le cas Sonko quand mm. il insiste sur les décisions de justice. Des règlements de compte, euh, selon vous Peut-être qu'il ramène les choses à un niveau individuel. Sonko est quand même parmi ses adversaires celui qu'il a le plus défié, celui qu'il a mis à l'épreuve. Et donc, j'ai l'impression qu'il mettra ce qu'il lui reste les quelques mois de sa <laughs> présidence à régler le cas Sonko. Maintenant, comme s'il euh, il y a peut-être un marché qui est caché avec les autres, hein. j'ai l'impression que les autres vont désormais. Euh, je rappelle que Karim Ouad et Khalifa Salsan dans la coalition, il y a eu Askanawi avec Sonko. Et donc, j'ai l'impression que s'ils ont la possibilité d'un candidat, ce qui les intéressait, c'est d'abord leur candidature et non le cas Sonko. Et donc, Sonko pourrait être isolé, à mon avis, c'est presque ce qui va arriver. Vous n'avez pas évoqué le cas d'Idrissa Sek oui, il a dit ça. lui, il n'est pas de, lui, il est toujours avec, avec euh, le président Macky Sall donc, mais il peut être son dauphin. Mais il a déjà annoncé qu'il est candidat. Je crois que lui n'est pas dauphin de, de Maintenant, est-ce que la coalition s'est mobilisé autour de Macky, s'est mobilisé autour de sa candidature, ce serait euh, toute la, question. Mais à mon avis, il y a aujourd'hui, moi je vois aussi le temps, hein, c'est-à-dire que c'est déjà arrivé février, c'est très... Par exemple, je pense au cas de, à la famille politique de, de Macky Sall. Il n'a pas laissé aux gens le temps de se préparer en faisant croire qu'il pourrait être candidat. Et donc, beaucoup de gens ne se sont pas préparés comme candidat dans l'espoir que Macky soit leur candidat même en violation de, de, textes sénégalais. Et donc là, je pense que pour l'avenir, à mon avis, on a davantage, même les techniciens, on a davantage à réfléchir de façon à ce qu'on ait vraiment des textes qui ne laissent pas de place pour le doute. Merci beaucoup Hassan Boukara, Memouna euh, Sénégal, le président Macky Sall annonce qu'il ne sera pas candidat à sa propre réélection en 2024. Le Sénégal dépasse ma personne et il est rempli de leaders capables de pousser le pays vers l'émergence, a-t-il dit. Quel avenir pour la démocratie sénégalaise sénégalaise un en exemple en Afrique francophone Moi d'abord, les propos qu'il a tenus, ça me laisse perplexe. Parce que s'il dit que sa personne, sa personne dit pas, non pas sa personne, mais en fait que la population sénégalaise est très importante à ses yeux, moi je me dis que c'est faux parce qu'il aurait pu annoncer qu'il fera pas, qu'il sera pas candidat bien avant longtemps, bien avant longtemps pour pouvoir cesser ou bien pour ne même pas euh, amené euh, le Sénégal dans cette situation Il y a eu quand même des morts. Il n'est pas, il n'est pas sorti. Il y a eu une vingtaine de morts. beaucoup de dégâts. Beaucoup de dégâts. Mais il s'est tué. C'est tout simplement qu'il prenait le temps de réfléchir à comment est-ce qu'il va faire, en tout cas pour détruire, moi je me dis, euh, de l'autre côté, son adversaire qui est sans Et il avait, en se taisant, il voulait tout simplement voir sa cote de popularité. Est-ce qu'aujourd'hui, s'il se force à faire un troisième mandat, est-ce qu'il y aura le soutien Et il a vu que son adversaire qui est Sanko a plus de cote de popularité que lui. Donc c'est un danger potentiel. Il faut l'éliminer en lui créant. Vous croyez que c'est facile euh, d'éliminer Sanko comme ça euh, mais écoutez, c'est un président. Il a quand même le temps de consulter d'autres présidents qui étaient passés par cette situation. Mais c'est ça en fait. Donc il fallait tout simplement, écarter Sanko parce qu'en lui collant le procès, un procès où aujourd'hui on l'a condamné à deux ans d'emprisonnement. Pour corruption à la jeunesse. Ah, mais oui. Mais donc, dans ce cas, maintenant, <laughs> il va essayer de voir, parce que quand on parle d'alternance aussi, <laughs> ça ne peut que sortir de son propre parti politique. Les élections vont se faire. Mais qui sera le dauphin C'est ça le gros problème. Parce que là aussi, il aura un, problème à gérer au sein de son, parti, de son propre parti politique. vous, vous le voyez déjà partir Moi, je le vois partir parce que s'il dit que tout le monde s'est empressé pour dire que non, il est sorti par la grande porte, il ferait mieux de quitter par la grande porte comme il l'a dit. Parce que annoncer et rester pour dire qu'il va briguer un troisième mandat, donc c'est contraire. C'est contraire à l'éthique que lui, il a dit. Euh, je suis sûr que. C'est un politicien. Mais c'est un politicien, mais même si c'est un politicien, quand même, on dit ce que tu dis, ça te rattrape toujours. Et il ne va pas le faire. Il ne va pas le faire parce que j'ai vu déjà ses pères en train de le féliciter pour dire qu'il est sorti par la grande porte. Il a décidé d'épargner le Sénégal, d'aller vers euh, euh, le chaos. Le chaos. Et, c'est vrai, le Sénégal est cité un, exemple. En exemple en Afrique. Francophone. En Afrique francophone. Mais là. Parce qu'il y a le Nigeria, <laughs> euh, le cas du Buhari. Mais, mais, mais, là, comme l'a dit Hassan, hmm. c'est à l'approche il n'a pas laissé une marge, en tout cas, pour que les adversaires ou pour que les, différents, candidats. puissent, en tout cas, se lever très tôt pour pouvoir euh, faire ce qu'il y a à faire. Mais de toutes les mille manières, il a promis aux Sénégalais qu'il ne sera pas candidat. J'espère qu'il il restera là-bas. Et je suis sûr que s'il veut, en tout cas pour que le Sénégal ne soit pas dans ce chaos parce que le fait même de prendre quelqu'un qui ne va pas avec les inspirations du peuple sénégalais. C'est tout la jeunesse. La jeunesse, je me dis que ça sera donc, on va assister peut-être à, à, la crise post-électorale au niveau donc du Sénégal. Euh, Momoun à présent, quel avenir euh, pour euh, la démocratie sénégalaise L'avenir, est-ce qu'il y a <laughs> l'avenir, un avenir pour la démocratie sénégalaise Parce que déjà, le Sénégal est en train d'emboîter. Selon vous, tout est perdu d'avance Moi, je pense que je ne pourrais pas dire que tout est perdu d'avance. Mais s'il il y a à sauver, c'est vraiment, ça doit venir de son côté. Il doit laisser le peuple sénégalais s'exprimer librement. librement et faire des élections libres, claires et transparentes. Moi, je pense que c'est mieux allez-y. Je vais juste faire une remarque par rapport à tout ce qu'on vient de dire. Ce mhm. C'est qu'on constate un fait aujourd'hui dans la politique, notamment en Afrique, en Afrique euh, francophone. francophone. Le problème, c'est que ceux qui s'installent au pouvoir, on a vu dans quelles circonstances Maki est arrivé au pouvoir. C'était dans un combat contre Ouad n'est-ce pas euh, il est venu, le même scénario. Voilà, le même. Il est venu ici, il est devenu pire que Wad, n'est-ce pas, qu'il a combattu. Et pire, je veux dire, parce qu'il s'est mis à arrêter, comme tous ceux qui constituent un obstacle pour lui, tous les adversaires politiques redoutables, comme on en voit un peu partout dans les pays africains où on s'en prend aux opposants qui sont capables de, de, de, de briser. Mhm. Voilà. Il faut qu'on arrête ça. Il faut que les gens comprennent que vous ne venez pas au pouvoir, mais quand ils le font, ils le voient en, recourant aux instruments, aux institutions, aux instruments de l'État, la justice qui est instrumentalisée. On a vu la condamnation de Sonko, qui, que quand même, c'est une aberration. Voilà un corruption à la jeunesse. Alors, <laughs> Hassan Boukar, rapidement, Hassan Boukar. Je veux dire, dans ce débat, il y a aussi un acteur qui doit s'interroger sur son avenir, c'est la justice. Regardez tout ce qui se passe comme débat au Sénégal. Le juge qui a rendu la décision, les gens Mais en fait, on fait comme si la justice, c'est simplement le bras euh, utilisé par euh, les politiques et que les on fait dire aux juges ce qu'on veut. En tant qu'institution, qu'on veut comme contre-pouvoir. qui est le dire dernier rempart. La justice euh, est instrumentalisée Je laisse les gens le dire parce que les gens l'ont déjà dit, n'est-ce pas Mais si on veut d'une justice qui soit un pouvoir, pour contrebalancer les deux autres pouvoirs. Qu'on dise de la justice que c'est vraiment le rempart contre l'arbitraire. Et qu'on est aujourd'hui dans, dans une situation où, quand vous êtes chef, vous faites faire aux juges ce que vous voulez faire. Je pense que ça interroge aussi sur l'avenir de la justice en tant qu'institution indépendante, en tant que contre-pouvoir. Je pense qu'il y a un vrai débat. Si vous étiez magistrat, vous, étiez juge, ce débat, vous devez vous le poser un jour sur votre propre contribution dans le renforcement de la démocratie dans notre pays. Il faut se euh, oui, allez-y rapidement. Par, rapport à ceux qui ont été tués. Ah, ah oui, lors des, les victimes euh, lors des événements. Puisque là, il est sorti, il dit qu'il ne sera pas candidat. Mais il fait quoi avec les nombres de gens tués, de personnes tuées, parce que tout simplement, oui, oui, parce que tout simplement, ils ont voulu évoquer, évoquer droit. Le droit, c'est quoi Le droit de, ne pas briguer, de ne pas violer leur, la constitution du pays. C'est ça aussi. Quel sera l'avenir Est-ce qu'il y aura des poursuites Qu'est-ce que la justice prévoit pour ça Merci beaucoup à tous. On a trouvé une courte pause. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a pris acte de la lettre du gouvernement malien demandant le retrait de la MINUSPA et qui met fin au mandat des casques bleus engagés dans cette mission à compter du 30 juin 2023. Ce retrait n'est pas sans conséquence sur le Mali, tout comme au Sahel et les pays du Golfe de Guinée, estime Kaba, journaliste et analyste sécuritaire au Sahel. Hassan Boukara, la MINUSMA quittera le Mali d'ici la fin de l'année. Elle a donc euh, six mois pour euh, plier bagage. Ce retrait a-t-il des conséquences euh, sur le plan sécuritaire au Mali et dans les autres pays du Sahel J'ai entendu beaucoup de commentaires hein, sur les conséquences sur le plan sécuritaire, mais les gens ont tendance à dire autant quand Barkhane s'en allait, les gens pensaient à beaucoup de conséquences parce que euh, Barkhane était censé aller sur le terrain pour suivre les terroristes. Autant la a des postes, mais elle n'est pas forcément dans une situation où elle va sur le terrain aller au front contre les terroristes. Donc il y a des choses que la a d'affaires qui vont probablement manquer au Mali. Il y a une dimension économique importante. Euh, il y a des Maliens qui sont employés, il y a beaucoup d'affaires, l'entretien de plus de 12 000 hommes de la là où ils sont. Voilà, il y a des conséquences de ce type. Mais les conséquences, c'est surtout aussi, moi je le vois sur le plan politique, hein. euh, je pense que la demande du Mali, c'est une logique euh, par rapport à la position dans laquelle le Mali s'est installé depuis quelques années, euh, rompre avec l'ancienne puissance colonisatrice. Ils ont probablement eu l'impression que à travers l'amunissement, il y a encore des puissances qui continuent à agir contre l'intérêt du Mali, entre guillemets. Euh, on se rappelle de, toute la polémique qu'il y a eu autour de ces rapports produits par les Nations Unies. Au sujet des violations des droits cette la localité de Moura, dans le centre euh, du Mali. Il y a, je crois, un problème de collaboration entre l'État malien et cette institution onusienne. Euh, normalement, toute onusienne qu'elle soit, cette institution est censée collaborer avec l'État malien. Or, apparemment, cette collaboration ne marche pas. Les Nations Unies se plaignent du fait que le gouvernement ne leur facilite pas la tâche. Euh, certaines missions qu'ils veulent faire, aller collecter des données sur les violations des droits humains. Le Mali considère qu'il n'y a pas de résultats sur la présence de, de la Je pense qu'on est arrivé à une situation où continuer serait peut-être plus coûteux, à mon avis. Il y, a certes euh, le fait qu'ils vont s'en aller, c'est des forces euh, qui sont là, qui théoriquement bon, sont euh, là pour aider à faire la paix, peut-être relancer le dialogue avec le groupe Repel autour de l'entente, n'est-ce pas, qui a été signée à Alger et tout ça. Peut-être que tout cela, on peut se demander comment ça va se faire à l'avenir, comment ça va se faire désormais. Mais les conséquences sur le plan sécuritaire, moi je ne sais pas euh, très bien qu'est-ce que, que ça va donner, puisque déjà après Barkhane, on dit que ces groupes euh, se sont renforcés. Donc la présence de l'aménagement n'a pas empêché véritablement que les groupes... depuis plus de 10 ans. 10 ans, ça n'a pas, ça n'a pas empêché. Euh, donc maintenant, la question c'est bon, aux Maliens d'assumer les conséquences de leur décision. Ils ont fait un choix. Euh, j'imagine qu'ils vont respecter les conséquences de, de ces choix. Voilà, donc, euh, mais sinon, moi, je ne suis pas surpris. Euh, je ne suis pas vraiment surpris. Je considère que c'est une suite logique des différentes décisions qui ont été déjà prises. Regardez l'amunissement. Selon les chiffres que j'ai pu voir, l'amunissement coûte à peu près 1 milliard 2 en dollars chaque année. Rappelez-vous que le G5 Sahel voulait des 400 millions d'euros pour lutter contre le terrorisme le G5 Sahel est censé aller au four, aller contre le groupe armé, etc. De la Mauritanie au Niger, au Tchad, aller faire la guerre. On n'arrive pas à mobiliser 400 millions. Mais on mobilise 1,2 milliard chaque année pour une institution dont chacun interroge les résultats. Ce n'est pas seulement les citoyens. Je me rappelle d'une sortie de Macky Sall, on venait de parler de Macky Sall, Macky Sall qui disait on a renforcé l'aménagement à 14 000 hommes, on a l'armée malienne, le G5 Sahel, avec toute cette armada, on dit que quelques personnes, à peine chaussées, euh, on n'arrive pas à aller bouter hors du Mali, on n'arrive pas. Et donc, les gens interrogent. Il y a une lourdeur dans la présence des forces onusiennes. La RDC est un exemple, d'autres cas sur le continent, qui montrent que les forces onusiennes, elles sont là sur la durée, mais on peut toujours interroger leurs résultats. C'est-à-dire que ce qui intéresse le Mali aujourd'hui, ce n'est pas une force qui est là pour rappeler les accords d'Alger. Franchement, c'est quand même une force qui aide aujourd'hui à préserver l'intégrité territoriale du Mali, à régler toutes ces questions de mort au quotidien, etc. Une force qui s'engage aux côtés de l'armée malienne pour aller se battre. À mon avis, si on ne peut pas changer, et je pense que c'est le débat que le Mali a posé, si on ne peut pas changer le mandat de cette mission des Nations Unies, eh bien son importance ne serait pas à la hauteur de leurs Merci beaucoup Hassan Boukara. Diado, le Mali a exigé et a obtenu le retrait de la mission de maintien de la paix des casques bleus. quelle est votre analyse, votre opinion à ce sujet mais <laughs> je n'ai pas grand-chose à dire, mais parce que je rejoins ce que Hassan Boukara, vient de dire à l'instant, c'est que aujourd'hui c'est aux Maliens de d'en décider. décider. et le peuple malien a décidé que la MINUSMA doit quitter. C'est le peuple malien ou bien les autorités de la transition Les autorités de la transition. mais qui représente aujourd'hui le peuple malien Les transitions, là, euh, c'est le gouvernement quand même. <laughs> Donc le gouvernement en a décidé. La transition le président en a décidé et bon, c'est fait. Maintenant, comme ils, ont fait pour Barkhane, ils ont également demandé le retrait de l'amnistie. Parce que pour eux, il n'y a pas de résultat pour ce qui est la MUNISMA. La est là, mais quand même, ça veut dire dans ce cas, ils ont, ils peut-être regardé que qu'il y ait MUNISMA ou pas amnistie, ils vont ça essayer. Ne ça ne change pas grand-chose à ce qu'ils sont en train de, de subir. Donc, mieux vaut les faire partir pour pouvoir voir est-ce que entre nous, l'armée malienne, qu'est-ce que l'armée malienne peut faire en termes de sécurisation donc, euh, de ce territoire-là, du peuple malien. Moi, je, pense que vraiment, s'ils ont réfléchi, on les laisse, on, on, essaiera de voir. Il n'y aura pas d'autres des conséquences euh, sur le plan sécuritaire euh, au Mali et dans les autres pays du Sahel, tel qu'au Niger Mais l'aménagement existe. Si l'aménagement était au Mali et que la n'a pas pu contrôler les attaques des djihadistes et que ces djihadistes quittent le Mali pour venir dans les autres pays du Sahel, mais je pense que donc, dans ce cas, c'est à nous autres également de prendre nos précautions. C'est à nous de sécuriser maintenant nos frontières <laughs> entre le Mali et la frontière également qui va vers le Burkina Faso pour pouvoir sécuriser davantage parce que déjà ceux qui vont qui vont être les djihadistes qui vont être chassés du Mali <laughs> n'auront que de points de chute vers le Niger et dans ce cas, c'est à nous de sécuriser. On n'a pas besoin d'aller sécuriser un autre pays, mais de sécuriser quand même notre frontière qui fait frontière avec ce pays-là. Et nous suivrons de près ce que ça va changer. Merci beaucoup, Memoun Gado, Ousseini Sajibo. La mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA, a été créée dans le sillon de l'intervention militaire française de janvier 2013. Quel bilan peut-on tirer dix ans après Il n'y a pas de bilan, il n'y a pas de résultat ministre a été déployé, comme tu l'as dit. Vous, parlez comme certains Maliens. non, non, mais non, non, il faut être clair. Il faut, moi, je suis clair là-dessus, sur ces questions de sécurité de paix Moi, je suis clair là-dessus, je n'ai pas la langue de bois. Je vois mal quelqu'un qui était ailleurs pour venir sécurisé. Il y a des cas où ça peut arriver. Quand on prend un peu les forces onusiennes dont on parle, les forces de, stabilisation, un peu partout dans les pays où ils se sont implantés, on a vu un peu, la situation n'a pas connu d'évolution, que ce soit au Congo, que ce soit en Centrafrique, que ce soit un peu même en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas on a comme l'impression qu'ils sont là, c'est des fonctionnaires des Nations Unies qui se font de l'argent, on mobilise des militaires par-ci, par-là dans les pays qu'on paye grassement, pendant que les soldats locaux qui sont là appelés à intervenir, pendant que ces soldats-là sont, comme dirais au fou, eux, ils sont là, la stabilisation, la paix, ils n'arrivent pas à l'assurer. Il faut bien se poser des questions. Vous voulez dire que la force a montré ses limites Mais ça a montré ses limites quand, c'est sur la base d'une évaluation que les autorités maliennes ont demandé à ce que cette force en aille, n'est-ce pas Il n'y a pas de raison. À partir du moment où ils ont constaté que même par rapport à des faits précis, notamment l'affaire de Moura que vient d'évoquer Hassan, l'aménagement a pris position pour montrer qu'il y a eu bavure et tout et tout. Et l'autre l'a dit, le premier ministre malien a dit, on tue des populations, on massacre, mais ça, ça n'a jamais posé problème aux yeux de la communauté internationale. On a comme l'impression que ces forces-là sont quelque part là pour un peu protéger plus les forces du mal qui sont là, qui empêchent. Qui veut, qui veut pas de la paix chez lui Ça fait pratiquement 10-12 ans que ça dure au Mali, n'est-ce pas ça compromet tous les efforts de développement. Mais maintenant, quand ça ne va pas, qu'est-ce qu'il faut faire Faut-il continuer à garder des forces dont on ne sait pas euh, quel rôle ils jouent, qui ne donnent aucun résultat Faut-il continuer à les garder ou les faire partir Moi, j'ai dit, quand les Barkhane, ils ont décidé de faire partir Barkhane, les gens se sont mis à dire, mais c'est fini pour le Mali, c'est l'effondrement du Mali et tout et tout. Barkhane est parti, est-ce que le Mali s'est effondré Plutôt, le Mali a renforcé, comment dirige son armée des matériels, des équipements militaires qu'ils n'avaient pas. Ils ont eu des nouveaux partenaires qui sont venus en renfort avec des drones, des avions de chasse et tout et tout pour pouvoir mener efficacement la lutte. Pourquoi faut-il garder des forces qui sont là, mais qui ne jouent pas le rôle pour lequel ils sont là Est-ce que ce sont les, les, matériels qui, qui, luttent contre le terrorisme ou bien ce sont des hommes euh, Oui, mais le matériel, quand le matériel est là, il y a des hommes, il y a eu des formations parce que, je sais pas, ils, ils acquièrent seulement ces matériels, ils sont en même temps formés. Dans l'armée malienne, il y a des pilotes de drones, dans l'armée malienne qui ont été formés, n'est-ce pas n'est pas seulement on va créer du matériel, mais je veux dire, il faut être réaliste. On a comme l'impression que on a une espèce de cécité où on peut penser que c'est quelqu'un qui va venir m'aider à gérer, à, contrôler, à, à, avoir une souveraineté sur mon pays. On est dans cette logique-là ici au Niger. Moi, je dis, moi, je soutiens le peuple malien, les autorités maliennes, de dire non on arrête parce qu'on a vu au bout de 12 ans, il n'y a rien, ça, la situation ne change pas. Tous les jours, on dit que les djihadistes contrôlent souvent les médias occidentaux, les djihadistes contrôlent tel village. Ils vont prendre bientôt tel village. Mais toutes ces forces-là, ils servent à quoi Merci beaucoup à tous. Nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangu. Merci à nos invités, Maimouna Diado, journaliste indépendante, Issa Ousseini Jibo, journaliste indépendant également, et Hassan Boukar, journaliste à la radio alternative. Merci aussi à vous tous, chers auditrices, auditeurs, téléspectatrices, spectateurs pour votre fidélité au programme du studio Kalangou. Rendez-vous pour samedi et dimanche dès 17h avec nos 52 radios pour suivre l'actu des jeunes suivis de tous à la FADA. Et à partir de 18h15, samedi, suivez le forum en Hausa et dimanche, celui en Zarma. Merci aussi à la technique côté son assurée par Saini Saka, à la réalisation Mustafa Ayouba. C'était Mokhtar Hamadou à la modération du forum. Merci, au revoir.